Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver ce soir dans cette magnifique salle de l'hôtel Radisson Blue. Ensuite, souhaiter à vous tous la cordiale et chaleureuse bienvenue. Je suis véritablement honoré de m'adresser à vous à l'occasion de ce panel de haut niveau dont le thème est autonomisation des jeunes, opportunités d'emploi, de financement et de partenariat. Avec une population jeune à hauteur de 68,8%, le Niger est classé parmi les États les plus jeunes du monde. C'est malheureusement encore l'un des pays au monde où la jeunesse vit dans un chômage caractérisé à hauteur de 23,7%. Monsieur le ministre,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 deux thèmes seront débattus. Le rôle de la jeunesse dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'engagement de l'État, du secteur privé et des institutions internationales pour promouvoir le développement économique. Ces échanges à bâtons rompus nous permettront de poser les vraies questions, de mener les vraies réflexions pour ensuite trouver les bonnes solutions. Mesdames et messieurs, pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes, disait Pierre Corneille, un célèbre auteur dramaturge français du XVIIe siècle. Si cet auteur fait grand les rois du XVIIe siècle, permettez-moi, chers invités, que je fasse reine les femmes nigériennes qui sont belles, vertueuses, courageuses et intelligentes. Mais mais qui mérite plus de justice, plus d'équité et, zéro violence. Monsieur le ministre, Madame la coordinatrice, honorables invités, plus que tous les grands textes adoptés pour son émergence et son autonomisation, la jeunesse nigérienne attend désormais du concret et nous plaidons auprès de vous, chers pouvoirs publics, secteurs privés et partenaires techniques et financiers, la création de huit centres de formation et à l'éveil entrepreneurial dans les huit régions du Niger, l'introduction du module sur l'entrepreneuriat dans le programme et manuel d'enseignement général à partir notamment du secondaire, la réduction de 50% d'impôts synthétiques uniques à défaut d'une exonération totale pour les deux premières années de création, la création d'une plateforme nationale pour l'exposition des produits et services commercialisés par les jeunes. L'ouverture de fenêtres de financement au niveau de toutes les banques et institutions financières. La création ou le renforcement des capacités d'accompagnement des centres incubateurs pour et au profit des jeunes porteurs de projets. Mesdames et messieurs, c'est en rentrant dans les vestibules de nos rois que les salutations commencèrent dans nos traditions séculaires. Mais j'ai voulu vous honorer à la fin de mes propos de ce soir par le respect que je prouve pour vous, pour l'intérêt que nous, jeunesse nigérienne, portons à ce sujet et la volonté que nous partageons avec notre invitée d'honneur, Madame Louise Aubin, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. D'amener les jeunes autour de la table. Recevez donc ici et humblement ma considération chaleureuse, mes salutations fraternelles et mon invitation amicale de la plus tradition africaine. L'occasion est bonne pour moi de remercier l'État du Niger pour son engagement constant et consistant auprès des jeunes Nigériens, de féliciter les partenaires techniques et financiers pour les résultats positifs qu'ils produisent dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté au Niger et d'encourager les jeunes à plus de travail et d'abnégation pour construire le Niger de nos rêves, le Niger que nous voulons.